forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute de ce premier forum 2017 du forum du studio Kalangou. Au micro, Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et en Fanny FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions, mais aussi nous sommes présents à Arlit, Filengue, Birningaure, Chirozérine, Magaria, Maynesoroa. Tamaske, Bouza, Dolbel et Saï. L'année 2016 s'en est allée pour laisser place à 2017 qui a déjà trois jours. 2016, c'est fini. L'occasion de vous souhaiter bonne heureuse année 2017 pour votre compagnie. Mais aussi, c'est l'occasion de faire le bilan de ce qui s'est passé. Le studio Kalangou entend faire le bilan de l'année qui vient de s'achever dans les secteurs importants de la vie socio-économique du pays. Pour ce premier numéro, nous avons retenu pour vous un secteur clé, l'éducation. Difficile bien sûr de faire le bilan d'un secteur aussi important en 45 minutes. C'est pour cela que nous allons passer en revue quelques aspects, comme par exemple les résultats des examens scolaires 2015-2016, la rentrée scolaire 2016-2017, largement perturbée par des grèves à répétition des enseignants et des élèves qui réclament des bonnes conditions de travail et d'études. Bien sûr, si le temps nous le permet, nous aborderons bien sûr d'autres aspects liés au bon fonctionnement du secteur, ô combien important pour notre pays. Chers auditeurs, pour faire le bilan de l'année et parler des perspectives 2017, nous avons des invités. Nous avons invité les principaux concernés et parmi lesquels j'ai à ma droite M. Munkela Hamadou. Munkela pardon. Vous allez vous présenter, euh, on vous connaît bien, <laughs> mais vous, allez vous présenter. <laughs> merci bien, c'est Munkela Halidou, oui, secrétaire général. Voilà, merci d'être venu et bonne et heureuse année 2017. Merci, À, ma gauche, M. Abdou Maman Lokoko, qui se présente également, qui est bien connu le coordinateur du réseau des organisations du secteur éducatif du Niger, Rosen. Merci, Monsieur Loukoko, d'être là. Merci. Et bonne année 2017. Bonne année à vous. Et, nous attendons d'un instant à l'autre le secrétaire général adjoint du ministère de l'Enseignement secondaire qui a promis de venir, Monsieur Kasumissa, et le représentant de l'USN. Alors, pour commencer, on va pas faire tout de suite le bilan, mais on va mettre l'accent sur l'actualité avec le paiement des pécules. C'est un aspect important pour, surtout pour les SINACEB. Et nous allons faire le point avec vous. Monsieur Moukela, vous qui êtes le secrétaire général du SINACEB, est-ce que, à l'heure actuelle, vous pouvez nous faire le bilan du paiement des pécules, euh, des arriérés des pécules pour les enseignants contractuel Oui, euh, merci. Euh, permettez-moi d'abord de <laughs> présenter mes euh, meilleurs vœux en tout cas à toute l'équipe du studio Kalangu et au peuple nigérien de manière générale. nous souhaiterions quand même que 2017 puisse en tout cas être une année de, de, paix et de prospérité pour notre pays. J'avoue qu'effectivement, puisque c'est un sujet que nous suivons du jour au jour, euh, je dois dire que euh, pour ce qui concerne cette question euh, des arriérés de pécule, nous sommes presque à la fin de ce, de ce calvaire-là. il vous souviendra que dans le communiqué conjoint que nous avons signé avec le gouvernement, il s'était agi euh, euh d'éponger tous les arriérés euh, au plus tard le 31 décembre 2016. Euh, Une situation qui d'ailleurs le président de la République en tout cas a réaffirmé lors de son message à la nation mm. du 18 décembre passé. Dans les il faut dire qu'il y a eu la volonté d'aller vers cette question, vers euh, en tout cas euh, l'appurement de ces arriérés au 31 décembre. Euh, des instructions ont été données, le paiement avait commencé, mais il faut quand même dire que euh, il y a eu entre le 17 et le 31, euh, deux semaines. Mais euh, euh, euh, les exécutants, c'est-à-dire les ministères en charge, c'est-à-dire le ministère des Finances, ne s'est pas tout de suite, en tout cas, mis pour régler cette question. Et c'est pour cela qu'au 31 décembre, le paiement avait commencé dans presque toutes les payseries mais il reste encore plusieurs départements, au 31, je dis bien, qui n'ont pas pu avoir leur, leur pécule et, surtout euh, les camarades vous, allez, vous allez nous donner des précisions sur le nombre de mois Non, les mois varient. en réalité, il faudrait que les mois varient de deux à trois mois en, région. La première étape, c'était de pouvoir éponger d'abord le mois de, septembre, ce qui a été fait dans les deux premières semaines. Maintenant, euh, à partir du, 28, il vous souviendra, il y a eu même des communiqués radio télévisés, comme je l'ai dit hier à quelqu'un, jusqu'à la reine des luttes même, <laughs> on, continue à parler de cette question de paiement des arriérés de pécule de deux mois annoncés par le gouvernement. Donc, pour dire que les régions n'ont pas les mêmes réalités par rapport, en tout cas, à ce retard. Quand vous prenez Niamey et Niamey, Agadez et, Maradi, euh, n'ont pas les mêmes réalités que Dosso, Tilaberi et puis Zender. Parce que Niamey, Maradi et, Agadez avaient juste le mois de novembre qui n'était pas payé. Tandis que les autres avaient euh, septembre, octobre et novembre. Donc, il a fallu éponger d'abord le mois de septembre. Ensuite, le mois d'octobre et novembre ont été engagés en même temps pour le paiement. Mais seulement, comme je l'ai dit, la lenteur a fait en sorte que les camarades n'ont pas pu perdre recevoir en tout cas dans l'intégralité leur pécule entre euh, euh, avant le 31 comme, comme compromis. Mais bon, ces paiements avaient continué aujourd'hui et même les mutuelles et autres banques qui n'avaient pas pu positionner en tout cas euh, les salaires des camarades. Vraiment, il faut être honnête. Je dois dire qu'à l'heure actuelle quand même, on ne peut pas parler d'arriéré de, de, de, pécule, parce que eh, l'engagement a été fait dans toutes, les les régions. En tout cas, l'instruction a été donnée et les Camerounais sont en train de percevoir. La seule fausse note, j'ai dit, puisque le président a promis que ça soit le 31, mais très malheureusement, l'administration n'avait pas créé les conditions pour qu'on puisse honorer l'engagement du président. C'est ça peut-être qui. Oui, euh, dans les communiqués, c'est généralement deux mois, mais on sait que certains ont quatre mois. C'était ce que j'avais dit. Avant de faire le communiqué euh, euh du ministère des Finances pour annoncer les deux mois, ils avaient déjà commencé à éponger euh, euh, le mois de septembre. C'est-à-dire que les régions qui avaient plus d'arriérés, c'était les régions de, de Dosso, de Dosso, Zender, et Dosso, Zender et Tilaberi. Ils avaient d'abord épongé le mois de, le mois de septembre. Ensuite, maintenant, après, avec le communiqué des deux mois, ils ont effectivement engagé les deux mois de pécule pour, pour les camarades. Mmh. Mais comme je l'ai dit, au fait, il faut comprendre aussi que euh, les camarades la plupart, la majorité, n'ont pas eu leur pécule à temps dans le délai en tout cas prescrit. Malheureusement, c'était cela qu'il fallait relever. Mais quand même, puisque le, paiement avait continué aujourd'hui, 2 euh, janvier, nous ne pouvons que nous réduire parce qu'à l'heure actuelle, je dois dire que la majorité, en tout cas à 90%, les camarades ont perçu leur pécule. Le seul, le seul problème que nous avons par rapport à cette question, c'est que euh, euh, malheureusement, il y avait une liste de la Halcia qui euh, concerne 2803 enseignants contractuels à la date où je vous parle, à qui on avait empêché le paiement. Euh, quelle, est, quelle, la situation Est-ce qu'on vous a promis de régler ça Non, mais on ne peut que régler cette situation parce que la Halcia avait, euh, euh, dans la précipitation, en train cas, envoyé cette liste pensant que c'était une liste d'enseignants fictifs. Il se trouve que la plupart de ses camarades, c'est des enseignants qui ont été euh, identifiés lors de l'opération de la Halcia, qui se trouvent être sur le terrain pour la plupart, j'ai dit, et qui sont, qui continuent à exercer parce que même ce matin, les camarades étaient à l'école de la région de Niamey ce matin, ils se sont même présentés à la direction régionale. Mais des solutions, en tout cas, sont en train d'être cherchées pour que ces camarades-là également puissent bénéficier. Moi, je pense que c'est la seule situation qui nous reste à l'heure actuelle sur laquelle il va falloir créer les conditions de pouvoir, en tout cas, euh, euh, euh, régler pour stabiliser le secteur en matière de paiement des pécules, je dis bien, dans le secteur éducatif. Merci pour ces précisions. On va permettre à Lokoko, euh, Abdelmaman Lokoko, qui est du Rosen, de peut-être d'apprécier ces en tout cas ce point qui est en train d'être satisfait par le gouvernement, à savoir le paiement des, arrières euh, des arriérés des pécules. Mm. Je vous annonce l'arrivée du représentant de l'USN qui va se présenter. Présentez-vous, monsieur. Répondons au nom de Abdelrazak. Nous sommes les secrétaires chargés des affaires culturelles et sportives du comité directeur de l'USN. Merci d'être là, Moukela et bonne année 2017. Alors nous sommes en train de faire le point sur le paiement des pécules, des arriérés, euh, des, des pécules des enseignants contractuels. Nous avons suivi le secrétaire général du SINASEB. Nous allons écouter maintenant euh, le secrétaire, le secrétaire le général du, le coordinateur du ROSEN, le réseau des organisations du secteur de l'éducation, M. Abdelmaman Lokoko. Et si le temps, euh, et nous avons aussi, nous annonçons aussi l'arrivée du secrétaire général adjoint du ministère de l'enseignement secondaire, des enseignements secondaires, M. Kassoum Issa, qu'on va, à qui on va permettre de s'asseoir. Voilà. Monsieur le secrétaire général, soyez le bienvenu. Et bonne année 2017. Bonne année, merci Voilà, nous sommes en train de faire le point sur le paiement des pécules. Il y a le secrétaire général du Seb, qui a fait le point. On va donner, on va permettre à monsieur Abdelmaman Lokoko d'Irozen d'apprécier c'est la satisfaction de ce point quand même, à bien entendre le secrétaire général du SINASEB. Merci beaucoup. Nous souhaitons bonne et heureuse année à, aux auditeurs. Et nous souhaitons aussi bon vent pour euh, le studio Kalangu pour 2017. Et nous nous réjouissons justement de ce que vient de dire le secrétaire général du SINASEB, en ce sens que, comme il l'a dit, avec toute l'honnêteté intellectuelle qui caractérise ses propos, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'arrêt de pécule. Donc, je crois que, comme on le dit, on est mieux servi que par soi-même. Il a, dit, déjà, cela signifie que nous confirmons. Nous, nous avons participé aux négociations qui ont abouti à, l'accord, au protocole d'accord entre cause Niger, sinaseb et le gouvernement en tant que facilitateur avec l'association nationale des parents d'élèves et étudiants. Donc c'est insatisfaisant pour nous qu'aujourd'hui le gouvernement ait pu honorer cet engagement qui n'était pas des moindres. Parce que vous savez bien, avec la crise actuelle internationale, l'effondrement de la monnaie eh, nigériane, aujourd'hui, il n'est pas facile de pouvoir eh, mobiliser autant d'argent parce que dans le communiqué du ministère des hein. Finances, dans le communiqué du ministère des Finances, j'ai cru comprendre que c'est à peu près plus de 7 milliards qui ont été injectés pour pouvoir payer ces arrêts. cela signifie que c'est vraiment un montant très important. Donc vraiment, nous nous réjouissons de cela et nous nous réjouissons du fait que même au niveau des partenaires tels que le SINASEB, en tout cas, ils ont constaté de visu que le gouvernement a rempli ses engagements, il a, le président de la République a appuyé, il a honoré ses engagements. Je pense que vraiment pour nous, c'est vraiment une bonne occasion de dire que chapeau au gouvernement. Chapeau aussi. Bon, on, va, permettre aux représentants du gouvernement. on, va, permettre du gouvernement d'apprécier la situation. Le secrétaire général, qui est un des acteurs clés du SINASEB, dit que la situation est satisfaisante jusqu'à aujourd'hui, puisque tout le monde est en train d'être payé. Donc, chapeau du côté du Rosen. Et vous, qu'est-ce que vous en dites euh, Peut-être promettre qu'il y aura plus d'arriérés Bien, merci. Permettez-moi de faire comme ceux qui m'ont précédé, et de présenter d'abord euh, nos meilleurs voeux de bonne heureuse année 2017, engageant que cette année soit aussi meilleure que tout ce que nous avons connu par le passé et pour notre pays, et notamment dans le secteur de l'éducation. Et que déjà ce, que, ce qui euh, vient d'être développé par euh, nos collègues ici, nos collaborateurs, sur euh, calmie est perceptible. Et je pense que déjà, on ne peut pas dire mieux que ce que son Excellence, le président de la République, à là a déjà développé dans son message à la nation. Nous, allons y revenir. absolument. Et par rapport à toutes les promesses qui ont été faites pour euh, ramener la calmie, je pense que les syndicalistes qui sont en face de nous, et nous avons toujours cherché à privilégier un partenariat sincère, honnête et responsable. Parce que nous avons l'expérience du syndicalisme et nous savons comment toujours ce ne sont que de fausses promesses. Mais cette fois-ci, nous avons vu, ici on les prend à témoin, les plus hautes autorités de ce pays avaient dit que par rapport à la préoccupation salariale, c'est-à-dire nous ne pouvons pas venir nous délecter et c'est pour ça que nous avons évité tout débat par rapport à la question de salaire, parce que nous pensons que on ne doit pas venir sur un plateau pour discuter sur la question des salaires, des paiement des salaires. Il y a eu des retards dans les paiements de salaires à quelque niveau que ce soit, dans certaines régions de notre pays, nous avons été sincères et honnêtes pour dire voilà les tensions de trésorerie, voilà ce qui se passe au niveau de la balance donc du trésor national et voilà comment le gouvernement entend régler ceci d'ici la fin de l'année. Ce qui est fait, que la promesse a été tenue. la promesse est tenue. Absolument. Et il y aura maintenant, c'est faut que il y aura plus d'arrêt de salaire. C'est pas qu'il y aura plus. Vous savez, Dieu seul sait ce de quoi demain sera fait. Je pense que aujourd'hui, nous sommes dans un monde où même les pays qui ont pu asseoir les systèmes les plus performants en matière de planification, en matière de gestion, en matière de tout ceci, ces pays ont été surpris par aujourd'hui ce qui se passe à travers le monde. Lorsque vous avez votre stabilité dans votre pays, vous pouvez faire des planifications. Mais lorsque vous êtes endormi, vous ne savez pas d'où, ce n'est ni une guerre, vous ne savez même pas d'où ça vous provient, on vous dit que toute une région a été attaquée, on vous dit qu'on est en train de massacrer vos concitoyens, l'État n'a pas de choix. Et aujourd'hui, je crois que c'est cette guerre bête, aveugle, qui est livrée à beaucoup de nos pays, qui fait qu'aujourd'hui la planification ne tient pas. Mais maintenant, notre notre vœu, et c'est ce qui avait été dit aux syndicalistes, c'est qu'il n'y ait plus ces retards Merci, dans le paiement de salaire par rapport à 2007. On va revenir sur ces aspects-là, peut-être pour permettre aux représentants de l'USN d'apprécier la satisfaction de ce point et peut-être donner plus pour ce qui vous concerne. Oui, tout d'abord, nous tenons à vous remercier et aussi à profiter pour souhaiter bonne et heureuse année à tout le monde au nom de l'ISN. Nous, en tant que comité directeur de l'ISN, représentant de tous les scolaires nigériens, nous ne pouvons qu'être satisfaits du fait que les salaires des contractuels sont en train d'être payés. Parce que ce, qui distingue les scolaires et les enseignants ne sont pas grand-chose. Si les scolaires sont en grève, les enseignants ne peuvent pas enseigner. Si les enseignants sont en grève aussi, c'est aussi sur nous que ça va tomber. Nous avons Satisfaction. Satisfaction. Nous sommes plus que satisfaits par rapport à cette question. En ce qui concerne notre organisation, ce que nous avons vécu durant l'année passée, ça n'a pas été chose facile. Nous avons vécu une année tumultueuse où il y a eu problème au niveau des paiements des bourses, des allocations et surtout de l'aide sociale qui a amené beaucoup de soubresauts au sein de nos sections. Comme vous savez ce qui s'était passé à Zender et Maradi où les camarades étaient obligés de sortir, ils ont été réprimés, les forces de défense et de l'ordre étaient partis jusqu'à... Vous avez eu aussi un protocole d'accord Est-ce que tout ça est <coughs> Nous avons eu un protocole d'accord, mais le, dernier protocole d'accord a été respecté entièrement parce que l'ISN avait décidé que même avec la signature du protocole d'accord, nous n'allons pas lever nos mots d'ordre sur la base des promesses. Il faudrait que d'abord nous puissions constater la réalisation de ce que nous avions demandé Et sur Et ces choses faites. merci pour ces précisions. il faut dire que la question de l'éducation préoccupe beaucoup notamment le président de la République, le représentant du ministère des enseignements secondaires l'a dit, et il l'a dit à son adresse à la nation à l'occasion du Nouvel An. Le président s'est beaucoup attardé sur la question scolaire. Je vous propose de le suivre dans cet extrait. Les différentes évaluations internes et externes de notre système éducatif ont hélas, révéler une faiblesse que nous connaissons depuis longtemps, celle de la mauvaise qualité de notre enseignement. Aussi, les résultats appréciables obtenus au cours des cinq dernières années en matière d'accès à l'éducation ne doivent-ils pas en occulter le problème crucial de la qualité Par conséquent, l'année 2017 sera celle de la poursuite de la réforme curriculaire avec euh, la production de supports pédagogiques dans nos langues nationales et en français, ainsi que la formation et la répartition judicieuse des enseignants sur la base d'un atlas socio-linguistique afin de disposer d'enseignants professionnels de qualité. Par conséquent, l'année 2017 sera celle de la procédure de la réforme curriculaire avec la production de supports pédagogiques dans nos langues nationales et en français, ainsi que la formation et la répartition judicieuse des enseignants sur euh, la base d'un atlas socio afin de disposer d'enseignants professionnels de qualité. La refondation de la formation initiale et continue sera engagée à travers la formation de la recherche-action, le développement des technologies de l'information et de la communication en éducation, l'accompagnement pédagogique des encadreurs, l'évaluation périodique de tous les enseignants en exercice, ainsi que la révision des modalités d'évaluation et de certification des élèves maîtres. Le président de la République, dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier, euh, sur la question de l'éducation. Monsieur Moukela, vous avez bien suivi l'intervention du président Issoufou. Il a abordé la question de, la qualité de l'enseignement. Il parle de mauvaise qualité, c'est un constat. Et vous êtes d'accord là-dessus <laughs> Alors, ma, question, qu'est-ce qui explique, c'est quoi cette mauvaise qualité et comment ça se, ça répercute, comment ça se constate sur le terrain C'est un fait, il ne faut pas quand même euh, oublier que euh, euh, la question de la qualité de l'enseignement ne date pas d'aujourd'hui. Le président de la République, le 7 avril 2011 déjà, l'annonçait, en tout cas lorsqu'il prêtait serment pour la première fois en tant que président de la République il avait également, en tout cas, euh, euh, mis euh, beaucoup l'accent sur la question éducative. Aujourd'hui, le constat sur la mauvaise qualité du système éducatif nigérien se constate sur même le niveau des, jeunes apprenants. Je suis avec <laughs> mon jeune frère, il le sait très bien. Aujourd'hui, vous allez partir dans les collèges, les lycées. très difficilement, vous allez trouver des jeunes scolaires qui peuvent vous tenir, en tout cas, un langage, ne serait-ce que d'une minute en français. On ne parle pas des autres aspects. Maintenant, qu'est-ce qui fait la question Qu'est-ce qui fait cette mauvaise qualité de l'éducation Ce n'est pas lié, malheureusement, comme beaucoup, je l'ai entendu plusieurs fois, ce n'est pas lié, en tout cas, aux, enseignants. Ce n'est pas lié aux contractuels dont on, fait cas. Mais la question de la mauvaise qualité de l'enseignement date, en tout cas, des années 90. Euh, oui, ça s'est empiré, mais ça s'est empiré, mais ça s'est empiré le comment le problème, quand le problème, vous abordez un enseignant le contractuel, problème, le problème qui se pose, il est aussi difficile le pour lui de s'exprimer. Le problème se pose, c'est cela effectivement. Aujourd'hui, qui enseigne Qui enseigne Lorsque le président parle de la de, réforme, lorsque le président parle d'élèves maîtres, ça veut dire que même la formation laisse à désirer aujourd'hui qui parle même de les ennemis. Comment est-ce que les formations au, niveau de ces ennemis-là se passent Tout ça, là, c'est des questions, c'est des interrogations. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut comprendre que la, baisse de niveau et dans le secteur éducatif c'est particulièrement, euh, en cas, euh, euh, empiré avec les différentes réformes que nous avons eues. Parce que nous avons un problème au Niger. On fait des réformes, mais on ne prend pas de temps pour évaluer les réformes-là. De réforme à réforme, de réforme à réforme, voilà où, là où nous en sommes aujourd'hui. Donc si et je comprends bien, c'est beaucoup du ressort de l'État. Non, non. Et aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui, qu'est-ce qui explique cette situation D'autre part, quand vous prenez les institutions n'est-ce pas, euh, euh, international qui nous impose un comportement. Lorsque dans les années 94-95, on dit de ne plus recruter à la fonction publique, on s'est amusé à aller vers le volontariat pour chercher en tout cas d'enseignants faciles comme on les avait appelés. Et aujourd'hui, la conséquence, c'est qu'à partir de 2003, c'est devenu la contractualisation. Un contractuel à qui on demande de faire le même travail qu'un titulaire et qui perçoit le tiers du salaire du titulaire, Savez, dites-vous qu'effectivement, la, finalité ne peut pas être... Donc les enseignants, si on vous comprend bien, n'ont rien à voir. non, en fait, ils en ont. Aujourd'hui, je dois être honnête que dans le système, vous pouvez trouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, des enseignants qui effectivement n'ont pas la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir tenir une classe. Mais le problème, c'est quoi Qui les a recrutés Lorsque, quelque part, j'ai suivi, en tout cas, le président, lorsque la Halicia a donné son rapport, ils ont dit qu'il y a eu beaucoup de faux diplômes, qu'il y a eu ceci, cela, des enseignants qui n'arrivent pas à s'exprimer. La question que nous nous posons, j'arrive à résumer, à résumer, il faut dire que, il faut dire que l'État a, intérêt à prendre ses dispositions pour qu'effectivement nous puissions aller vers la qualité tant recherchée. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'à un moment, c'était l'accès qui causait problème. Aujourd'hui, on n'a pas de problème d'accès. Mais le problème que nous avons, c'est le problème de qualité. Et cela, ce n'est pas seulement les enseignants, même les que nous utilisons. Mais il a, parlé de production de, supports. support. C'est pour ça que j'ai dit. C'est la solution. Mais, avant qu'il langue nationale. S'il en parle, c'est parce que c'est un problème. Si le président parle de ça aujourd'hui, c'est que c'est devenu un problème. Jusqu'à ce que c'est le président lui-même qui parle de ces supports-là, ça veut dire que les ministères aussi doivent créer les conditions de comprendre que nous avons besoin de ces supports pour effectivement nous-mêmes <laughs> nous, nous, et euh, continuer le, travail. de, de la mauvaise qualité, c'est l'État, c'est qui Bon, nous, à notre niveau, ce que nous estimons par rapport à cette question de mauvaise qualité, la responsabilité, elle est partagée. Elle est partagée au niveau de l'ensemble des composantes qui constituent l'école nigérienne. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas remettre seulement la responsabilité de cette mauvaise qualité sur l'État. Nous, en tant qu'écolaires, nous avons notre part de responsabilité. vous, c'est quoi votre responsabilité La responsabilité qui peut incomber aux scolaires, c'est parfois le fait d'arrêter les cours les perturbations. mais c'est des, choses que, des choses que nous ne faisons pas d'une manière vaine. Nous ne les faisons pas parce que ça nous plaît. Nous les faisons parce que les conditions minimum d'études et d'enseignement ne nous ont pas été données. Cela nous écarte nous aussi parce que nous avons, nous savons la responsabilité que nous avons sous nos épaules. C'est d'être la génération future qui aura un jour la lourde responsabilité de diriger ces pays-là. Nous ne voulons pas arrêter les cours, nous ne voulons pas suspendre les activités académiques pour rien, mais nous estimons tout simplement que quand on nous crée les conditions, les que possible pour étudier, nous allons les faire. Et, la solution du président de la République, la production des supports pédagogiques en langue nationale, est-ce que c'est la solution pour vous Bon, là, je pense bien que ça peut être la solution, mais il ne pas, il ne suffisait pas aussi de faire de cela comme une solution. Moi, je pense bien qu'à notre niveau, la plus grande solution qu'il faudrait apporter, c'est l'engagement à tous les niveaux, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau des enseignants et au niveau des scolaires. Merci. Euh, euh, Abdou moment, du Rosen. Merci. Déjà en. La mauvaise qualité. déjà en 2007, oui. lors de l'évaluation à mi-parcours des OMD, le Rosen a a euh, initié une étude sur la qualité de l'éducation qui a été complétée en 2013, donc vers la fin des OMD. Nous avons fait le constat que la qualité n'était que de 1,57%. Ah, preuve à par, rapport à tout, par rapport à tout ce que nous constatons. D'abord, les perturbations, comme il l'a dit. Les années ne sont plus des années de 9 mois, les années scolaires c'est des années rabâchées, 4, 5 mois, 6 mois. Donc, il y a beaucoup de déperditions à travers beaucoup d'éléments. D'abord, il y a les, grèves, niveau Tout le système éducatif ou tout, le système. Tout le Nous avons, nous avons pris au cas par cas. Il y a d'abord la rétention des élèves, quoi. ça dire qu'ils viennent à l'école le temps, la gestion du temps scolaire. Ensuite, les enseignants, leur euh, environnement, les conditions de travail. Ensuite, euh, la gestion même du personnel, etc., etc. Et même les fournitures qu'il faut mettre à la disposition des élèves, etc. etc. Donc, ça, ça, fait que nous avons déjà en 2007 comme je l'ai dit, tiré la sonnette d'alarme. En 2013, on a répété pour dire qu'aujourd'hui, le problème numéro un du système éducatif nigérien, c'est la qualité. Maintenant, il faut aller vers la qualité. Comment D'abord. La production des manuels. C'est la au-delà de la production des manuels, il faut vraiment former les enseignants. D'abord, il faut qu'il y ait des enseignants de qualité puisque en pédagogie, on dit qu'il faut connaître beaucoup pour enseigner peu. Or, la plupart des enseignants qu'on a recrutés, eh, qu'on appelle aujourd'hui contractuels, oui, en tout cas, c'est oui, non seulement ils sont mal payés, mais aussi pour la plupart d'entre eux, le niveau en tout cas à désirer, parce qu'ils n'avaient pas de formation, ceux qui n'avaient pas de formation. Ça, ça c'est un. Deuxièmement, c'est que l'État aussi doit quand même renforcer la formation continue. Sinon pas, il faut qu'il y ait un encadrement. Or, à notre connaissance, on a vu en tout cas euh, euh, des moyens conséquents à la disposition des encadreurs, mais franchement, l'encadrement ne suit pas. Or, déjà, l'enseignement, si la routine s'installe, il y a forte chance justement que ça ne progresse pas. Mm, Donc, il faut que l'enseignant soit de temps en temps suivi pour que justement avec les innovations pédagogiques. Maintenant, le, chef de l'État a parlé de langue, langue nationale, de l'introduction de la langue nationale. Si vraiment on arrive à bien maîtriser ces curricula-là, nous pensons que ça peut aller, en tout cas, euh, pour euh, un peu booster notre système éducatif. Nous allons suivre le secrétaire général adjoint du ministère des enseignements secondaires. L'État semble bien indexé. Est-ce que c'est l'État seulement et comment ça se repercute Monsieur euh, Lokoko a donné des données. Est-ce que vous avez des données, vous On a tous suivi vraiment la partie du message du président de la République. Je pense qu'il faut réaliser que le président n'est pas en train de remettre en cause aujourd'hui tout ce qui est en train d'être fait ou ce qui est fait relativement à la qualité. Mais il plaint cet aspect parce que vous savez qu'un système éducatif, il est basé sur trois piliers. Il y a l'accès, la qualité et maintenant le management du système. Au niveau de l'accès, vous savez qu'il n'y a que dans des pays africains, et principalement dans notre pays au Niger, où en fait personne n'est responsable de ce qu'on fait dans son pays. Pourquoi je, parle de cela Le système éducatif, tout le monde, depuis que nous on était jeunes conscients au collège, on entend la chanson L'école est malade. L'école est malade. Sous des générations, l'école continue à être malade. Et sous des générations, il y a des gestionnaires de l'école. Et sous des générations, il n'y a personne qui est responsable de la maladie. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes à la gestion du système. Et c'est pour ça que nous disons que non pendant toutes ces années de double flux, pendant ces années de fermeture des écoles normales, pendant ces années de fermeture de l'école normale supérieure qui était l'école de pédagogie, le Niger a fait l'option de ne plus former des enseignants. Et ça pendant près d'une dizaine d'années. Et ça n'a rien dit à personne. On, s'est retrouvé, oui, on s'est retrouvé avec quelques rares collèges qui se trouvaient dans quelques rares départements du Niger et dans quelques rares arrondissements en son temps parce que les départements sont devenus des régions. Les lycées étaient spécialement plaqués au niveau des chefs-lieux des régions. Quand soudainement, nous avons dormi jusqu'aux années de crise 90, on ne construisait pas, il n'y avait même pas un programme d'infrastructure scolaire. C'était les Samariens qui construisaient les écoles. Et les écoles étaient concentrées. Nous sommes retrouvés avec les crises des années 90, on ne peut plus rien investir. L'école, c'était des années blanches. Et après, sept ans après, on nous dit que le monde veut revenir au chevet de l'éducation, il faut faire l'éducation pour tous. L'éducation pour tous, cela veut dire qu'en ce moment précis, aucun enfant en âge d'aller à l'école ne doit rester à la maison. Vous, vous n'accepterez pas que votre enfant de 6 ans, 7 ans reste à la maison, à lui la même chose, le coco, lui et moi. Donc la question dépasse l'État. Mais s'il vous plaît, ça dépasse l'État, ça dépasse nos États, mais nos États ont dormi. Lorsque nos États ont dormi, maintenant, il faut amener tous les enfants à l'école. Il faut les ramener pendant que les écoles normales d'instruction étaient fermées il faut les ramener pendant qu'au secondaire, il n'y a pas d'établissement, il n'y a même pas de création, il n'y a même pas de construction. Mais puisque nous avons obligation de respecter le droit à l'éducation, c'est ça l'essence du Rosen. Le Rosen a été créé pour défendre le droit à l'éducation des enfants. Et en ce moment précis, nos États se sont vus obligés, à partir de, de Dakar 2000, à créer toutes les écoles en paillotte, là où il faut le faire pour que les enfants aillent à l'école. Au niveau du secondaire, il n'existe pas de département secondaire. C'est en ce moment, on a dit, il faut les créer parce que même les tuteurs, pour envoyer les enfants, le fort taux de déperdition scolaire était tel que mm. quand vous prenez l'année 2006, de 2006 à 2009, il était inscrit 98 000 enfants en sixième au public au Niger. Alors, en 2009, c'est le problème. Mais je, non, monsieur le secrétaire, j'arrive. Oui. C'est pour venir à la question de l'accès dont était satisfait son excellence le président de la République et que nous tous, nous sommes satisfaits qui était un vrai pas qui a été fait au sein du PDDE. Mais maintenant, puisque nous avons boosté l'accès, puisque nos enfants sont à l'école et que nous constatons que beaucoup de nos enfants vont à l'école, pour ne pas apprendre quelque chose. On ne dit pas qu'ils n'ont rien appris. On a, on a, c'est eux qui enseignent les enfants. Quinzaine de minutes qui Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire C'est ça le président de la République a mis le paquet et je vous donne les chiffres. Les chiffres, c'est quoi Le président de la République a dit ouvrez-moi toutes les écoles normales. Et là même où elle n'a pas, c'est comme ça que le président de la République, depuis son arrivée, il a fait en sorte que toutes les régions du Niger ont au moins une école normale et que même dans des départements de Tessawa, et d'outils, on a créé École normale. L'école normale supérieure qui était fermée, en 2012, on l'a rouverte et on a commencé à former les professeurs de CEG. Parce que quand on dit que les enseignants du, du primaire ne connaissent rien, ils n'ont pas un niveau langagier, mais les enseignants du primaire étaient mieux formés pédagogiquement que les enseignants du secondaire. Ce qui cachait l'état de, au, niveau de l'enseignement secondaire, c'est que les gens regardaient le niveau langagier. Que les gens, parce que tous ceux qu'on recrute au secondaire, c'est quoi Ceux qui ont le bac, qui sont allés à l'université, le duel, licence. Ils parlent français, mais ils enseignent mal. Ils n'ont pas de formation. Il a fallu la réouverture de l'école normale supérieure pour la filière de et ça, pour euh, qu'on commence à former des enseignants. Voilà, c'est des solutions qui sont apportées. C'est des solutions. Maintenant, par rapport à la langue. Oui, on va revenir Par rapport à la langue. Oui. Non, je, tiens juste à préciser que par rapport à la langue, c'est en la, fait la réforme curriculaire et c'est le président de la République aussi qui a ramené la réforme curriculaire. Le curriculum, depuis l'indépendance, le Niger n'avait pas un curriculum. Et le curriculum, il est pour le système éducatif, c'est qu'une constitution pour une république. on n'a pas de curriculum. Maintenant, on a un curriculum. juste ma, question, monsieur le secrétaire en quoi est-ce que, par exemple, euh, imposer la langue Hausa pourrait améliorer la qualité de l'enseignement pour le Si je comprends ça comme ça, pas une imposition. Alors, je vous dis qu'on a expérimenté ça pendant. On, a expérimenté les écoles, bilingues, au-delà, qui n'ont pas des écoles bilingues, on a expérimenté le système de l'entrée par les langues. Les doudales qu'on a fait avec euh, Vikan avec euh, les autres ONG. Vous savez comment nous faisons Moi, j'ai coordonné le programme PENF, programme d'éducation non formelle, à Vikan pendant deux ans. Lorsque lorsque nous avons essayé de gérer ce programme-là, on fait des entrées par le Fulfulde, des entrées par le Germain de la Jeune de Terra, des entrées par Hausa Verduchi, des entrées par. Et vous voyez, les enfants, au lieu de passer six ans à l'école primaire, en quatre ans, nous les présentons au CFEPD, ils font partie des meilleurs. Ok, on va considérer que ça semble être la meilleure. Mais absolument, ça a Peut-être une des causes de, la mauvaise qualité de l'enseignement, c'est peut-être aussi le manque de professeurs. Et à ce niveau, nous allons suivre euh, le directeur départemental de, l'enseignement secondaire de Filengué qui sait bien le dire nous, avons 38 établissements publics et nous avons 233 professeurs, toutes disciplines confondues. Et nos besoins dans les normes sont estimés à 405 professeurs. Vous voyez vous-même le gap, euh, il manque à 172 professeurs, sans compter le fait que la plupart de nos enseignants sont aussi des étudiants nous sommes obligés de faire avec des étudiants qui sont tantôt sur le terrain, tantôt au niveau des facultés. Donc c'est vous dire que vraiment nous vivons d'énormes difficultés. À l'heure actuelle, là, il y a beaucoup d'établissements qui n'ont que leur directeur qui est tout seul, donc une seule personne. Même s'il a une seule classe au secondaire, donc il faut au moins cinq professeurs pour assurer les enseignements. À peine 10% des professeurs qui sont alloués à la DDS de Filengue viennent finalement à destination. Et pour la plupart, ils viennent souvent parrainer. Chacun veut être, comme on dit, sur le goudron. Voilà. Donc, euh, c'est un propos, c'est des explications du directeur départemental de Filingue, de l'enseignement secondaire, euh, secrétaire général du SINASEB. En quoi est-ce que vous vous sentez interpellé Oui, en fait, il faut dire que euh, peut-être sur le, de l'effet sur le terrain, euh, ça se constate qu'effectivement, à l'intérieur du pays, qu'on puisse avoir euh, cette situation. Mais moi, je ne pense pas que je ne pense pas qu'il y ait un problème de euh, euh, de personnel. Au fait, il faut peut-être dire qu'il y a une mauvaise gestion des ressources humaines dans euh, nos différents ministères. il, y a assez d'enseignants il, il, y a assez d'enseignants. Moi, je suis convaincu qu'il y a assez d'enseignants. Parce que vous savez, euh, on prend par exemple, on est en train de parler du secondaire. Je crois que le, le SGA est là, il va confirmer. Il y a des horaires qu'on doit donner à chaque enseignant. Mais dans la pratique, vous allez constater que euh, au, au, collège ou au lycée, l'enseignant qui doit faire 8 heures, peut-être va faire 4 heures ou deux heures de temps. On a vu des cas où c'est deux heures de temps. Donc, c'est en réalité la difficulté dans cette situation, c'est une mauvaise gestion du personnel enseignant. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Il y en a en quantité, mais c'est très mal réparti, en tout cas, dans, euh, l'espace. Il la bonne gestion, le management Je crois quand même que lorsque le SGA, parce qu'il serait mieux placé pour management. nous, on est, avec nos camarades, on sait aussi une certaine réalité qu'il y a à l'intérieur du pays. Mais la difficulté, comme je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Il y en a. Ah il y en a, mais il faut aussi savoir les Est-ce qu'il y a assez d'enseignants pour enseigner les élèves Bon, par rapport à cette question, nous, d'après les informations qui nous ont été parvenues, vraiment, il y a assez d'enseignants pour enseigner les élèves, mais il y a une mauvaise répartition de ces enseignants-là. Où vous allez trouver à Niamey, dans des écoles, il y a des enseignants qui sont là, qui sont assis, qui ne font rien, juste parce qu'ils ont des gens, je ne sais pas, mal placés, qui peuvent les maintenir à Niamey, alors qu'ici bien placés, qui peuvent les maintenir à Niamey, alors qu'ici, à quelques kilomètres de Niamey, à Filingue, on nous parle d'un gap de plus de 100 et quelques enseignants. Mauvaise gestion des ressources. Est-ce que c'est le cas, M. Abdoumou Lokoko Mais bien sûr, il y a la mauvaise gestion des ressources humaines. Et il l'a dit. Euh, il, y a, beaucoup d'enseignants aussi pour Ici à Niamey, on nous dit qu'il y a plus de 1000 enseignants qui sont là, qui ne font rien et qui touchent leur salaire en fin de mois. Et, et, on ne les affecte pas. Alors, ah, <laughs> le secrétaire général, vous êtes interpellé <laughs> eh, Oui, je pense que c'est que le cocodile. Oui, faire tout pour aller au côté, à côté du que c'est que j'ai entendu le dédestir, notre directeur départemental de Filingue, il devrait s'interpeller lui-même. Il a une responsabilité à son niveau. Le ministère des enseignements secondaires a cessé de recruter les enseignants il y a trois ans de cela. Tous les enseignants sont recrutés au niveau des régions. Ils sont répartis au niveau des régions. Le ministère ne recrute plus d'enseignants. Nous avons dû recruter les enseignants qu'il faut. Et cette année, Qu'est-ce que nous avons fait hmm. Le ministère a dit Ok, sur la base des enseignants que vous avez, vous ne recruterez aucun contractuel. Allez-y nous donner la preuve que sur la base de la, charge horaire par enseignant qui est de 18 hmm. heures 100 heures du pays pour les lycées, de 21 heures, 100 heures du pays pour les collèges. Il faut nous prouver que vous avez un besoin d'enseignants. <coughs> Mhm. Jusqu'à présent, il a fallu que nous fassions absolument parce que nous avons 15 960 élèves. Nous avons nous avons 1230 établissements. Et lorsque vous regardez au niveau des enseignants, nous avons 15 nous enseignants. les chiffres sont là, mais si les enseignants ne, veulent pas aller, c'est Par établissement, vous avez une moyenne de 10, et quelques enseignants par établissement. vous êtes interpellé quand même. Mais, s'il vous plaît, mais déjà le ministère a peu d'œuvre et les alliés le savent. C'est pour ça que beaucoup de leurs camarades, au-delà de la question des pécules. <laughs> Aujourd'hui, ils sont dérangés parce qu'ils savent que nous allons les redéployer. Le mot est, parti à l'Assemblée. Les députés, comme eux, ils viennent de le dire. Nous sommes interpellés, on a dit qu'on va s'exécuter. Vous allez le faire. Maintenant, au niveau du terrain, chacun va essayer de voir est-ce que réellement les enseignants mis à la disposition, parce qu'au niveau de Niamey, comme l'a dit le Coco, nous venons de faire le point de Niamey, il n'y a même pas quatre jours. enseignants. a fait le point, c'est pas, non, au niveau du secondaire, je dis, nous avons des centaines d'enseignants à redéployer au niveau du secondaire seulement. Comptez au niveau du primaire où vous vous retrouvez avec 4, 7 enseignantes ou enseignants dans une classe. ça, je pense que c'est inadmissible. C'est inadmissible. Ce qui est en train de se passer au niveau de la santé, ça va se passer au niveau du système éducatif. On ne peut pas toucher un salaire pour lequel on ne travaille pas. Et je pense que nos enfants-là, c'est pour ça que je suis très fier de voir que l'USN est aujourd'hui, elle en train de prendre des positions pour dire que il y a une mauvaise gestion. Et cette mauvaise gestion-là, c'est ensemble qu'il faut la gérer. Parce que tout ce que vous avez, non seulement nous avons à gérer des syndicalistes, parce que tous ceux qui créent les syndicats, ils disent qu'il faut qu'on les amène à Niamey. Nous avons près de 80 syndicats de Il y a le politique aussi qui intervient. J'arrive. Il y a maintenant, pas au niveau des politiques, au-delà de, vous avez des gestionnaires d'ONG, d'associations. Tous, ils disent qu'ils sont patrons de ONG, il leur faut vivre à Niamey. Vous avez de l'autre côté tous ceux qui ont eu un décret quelque part. Kassoum Issa, SGA, enseignement secondaire, dès qu'il n'a plus le décret, il doit rester à Niamey. L'autre a été préfet, il doit rester à Niamey. L'autre a été... Alors, tout ça là, nous en avons sans compter des femmes qui ont suivi leur mari et maintenant elles ont divorcé, elles ne sont plus avec ses maris. D'autres, même encore d'autres, les maris sont à l'intérieur, elles refusent de partir. Donc, dans, la perspective 2017, Absolument. tout le monde va être redéployé. Et de l'autre côté, absolument. Et de l'autre côté, l'appui que nous cherchons de nos partenaires. Les locaux d'abord qui sont des partenaires qui, sont, qui font la conciliation. Les syndicats d'enseignants qui sont les premiers responsables parce que c'est à eux de défendre leurs camarades lorsqu'ils sont mal affectés ou ceci, cela. L'USN aussi. C'est lorsque, aujourd'hui, on veut apporter cette réforme lorsqu'on veut apporter ce changement-là. vous allez voir, ils vont se recroqueviller encore sur leur nous organisation. Avons, nous avons quatre minutes pour conclure. Voilà. on va permettre peut-être à l'USN, peut-être vous êtes interpellé par rapport à votre rôle euh, pour, pour, appuyer le gouvernement, pour redéployer tout le personnel. Comment vous allez le faire rapidement Nous pensons que, vous avez le, le gouvernement aura votre soutien quand demain il faut. Enfin, vous n'êtes pas beaucoup plus. Je pense bien qu'en tant que représentant des scolaires nigériens, toute action qui sera posée pour rendre meilleure l'éducation nigérienne ne peut être qui être par l'ISN. Mais si c'est des actions qui vont aller à l'encontre des intérêts de nos militants, nous serons obligés de ne pas être d'accord. Merci pour cette précision. Moukela, est-ce que le gouvernement aura votre appui Oui, non, il faut Vous dire que. Le constat, hein, dans, tous les cas, moi, je crois que nous sommes les premiers à, interpeller lorsque ça ne va pas et je crois que nous serons en tout cas fermes là-dessus. Par rapport à cette question du redéploiement, ce que nous, nous, nous pourrions peut-être fustiger, c'est lorsque, et c'est le constat que nous avons fait en cas en 2016, lorsque par exemple, on parle de redéploiement et qu'on prend un enseignant, lococo, on l'affecte à, Agadez parce que l'Agadez a le besoin et qu'au même moment, on prend notre enseignant d'Agadez ou de Tawa, on l'amène à la place de lococo. Rassurez-vous que nous ne pouvons pas accepter. C'est-à-dire que ce n'est plus un redéploiement, mais c'est plutôt juste des permutations ou peut-être même c'est des règlements de compte. Pour nous, si le redéploiement est sincère et que c'est logique, je vous assure que nous ne voyons pas d'inconvénient. Mais ce que nous avons dit, il faut que ça se passe en toute transparence il faut qu'on le fasse. Parce que c'est nécessaire. il n'y a pas d'intervention. Non, il n'y a pas d'intervention parce qu'aujourd'hui, c'est quoi Aujourd'hui, ce qui fera mal, ce qui fera mal, lorsque par exemple, et, de l'USN sera affecté peut-être à Tilaberi, que, quelqu'un qui est protégé, qui, est affecté, refuse de partir et qu'on le voit. Il est là, effectivement, il n'est pas parti, il est resté à Niamey parce que seulement il est couvert par quelqu'un ou par, autre chose. Moi, je crois que c'est de là où euh, peut-être on va avoir des problèmes avec euh, euh, la, partie gouvernementale. oui la solution euh, Nous, nous sommes prêts à accompagner en tout cas le gouvernement. nous sommes les ONG à de Développement. Mais est-ce que vous êtes prêts à dénoncer bien, Mais bien sûr, non seulement qu'on est prêt à dénoncer, mais nous sommes prêts aussi à accompagner le gouvernement et les partenaires à trouver un consensus pour qu'effectivement qu'il y ait la transparence, comme l'a dit Alidou, et surtout la fermeté dans ce qu'on fait. Vraiment, il faut respecter les choses. Nous avons toujours dit qu'il faut dépolitiser l'école. Oui seul gage de la réussite du système éducatif. Le secrétaire général va conclure pour les perspectives pour, 2017. Euh, pour la petite euh, conclusion, Moi, je remercie vraiment les partenaires ici qui disent que tous ils sont prêts à nous accompagner dans cette réforme parce que pour le bien des enfants, que des enfants de Tegidentesum ou de Fancho soient là à attendre des enseignants alors qu'ici il y a une pléthore d'enseignants, je pense que nous sommes tous interpellés. Maintenant, et de l'autre côté, vous savez, il faut qu'on fasse attention. Quand à lui donner l'exemple de Lococo qui va à Agadez et qu'on prend notre, ils savent qu'il y a des textes quand même. On dit que dans les régions comme Agadez et Difa, lorsque un enseignant passe 3 à 4 ans, il est en droit, pas obligatoirement, il est en droit de demander une affectation pour quitter la zone, Difa Agadez. Mais pour les autres régions, il faut aller au-delà de 5 ans minimum. Donc ça, nous, nous sommes en train de respecter ça. Donc on peut aujourd'hui redéployer des gens et d'autres qui ont 8 ans, 9 ans là-bas qu'on a refusé d'affecter malgré leur demande, hmm. ils il peut se trouver que aussi la commission sèche et que nous puissions les ramener quelque part. Merci beaucoup. Donc, euh, maintenant, par rapport au reste, je pense que aujourd'hui, le gouvernement est en train de régler, la, question des de régler la question des pécules. Le reste suivant. Tout ce que les syndicats ont demandé, mais nous, nous demandons quoi aux syndicats oui, On leur demande de rester en, en place, d'être avec les enfants et surtout de cultiver la vocation. Merci beaucoup pour cette conclusion. J'espère que vous avez bien entendu. Alors voilà, ainsi prend fin ce forum qui a réuni le représentant, le secrétaire général adjoint du ministère des enseignements secondaires, euh, M. Abdelokoko ROSEN, M. Moukela Ali du, du, SINASEB et M. Moukela encore du, CD du l'USN. Merci d'être venu. On se retrouve demain pour une autre thématique. Bonne soirée.